messieurs, bonjour chers auditeurs, euh, bienvenue à tous dans cette émission qui s'annonce captivante et pleine de découvertes. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure de Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Samira Wafi et Habiba Ahmed. Préparez-vous à être captivés. Ce matin, la technique est assurée par Seni Isaka et à l'édition Notre-Dame de Fer à Damadawaki. Habiba, comment tu vas Je vais bien Samira et toi Oui, ça va bien, merci. Super. C'est parti alors pour une heure de programme bien garni, n'est-ce pas Samira Et eh oui Habiba, le flash d'information plantera le décor. Ensuite, nous aurons nos différentes rubriques telles que le loti, l'éducation numérique comme chaque jeudi, un reportage région qui nous amène à Zender. Sans oublier notre playlist 100% musique nigérienne, le portrait et la page sport. Notre entretien du jour nous amène à Tirozerine à la découverte de Reya Mahaman, une jeune dame présidente d'une ONG dénommée Amfani et fabricante de produits cosmétiques. Et bien évidemment, comment vous dire au revoir sans écouter la traduction de notre mot de la semaine en full full day et vos messages, chers auditeurs et eh bien, c'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Chers auditeurs, à présent, c'est les flèches info présentées ce matin par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Alors pour ce matin, le ministre d'État de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Tomba, dans une lettre adressée aux organisations internationales et nationales à date du 11 juin 2024, informe les structures non gouvernementales que dorénavant toute activité impliquant les chefs traditionnels doit être préalablement portée à la connaissance de la tutelle et que la présence d'un représentant du ministère est obligatoire pendant la durée de l'activité. Quelques jours après la célébration le 16 juin de l'édition 2024 de la journée de l'enfant africain, le réseau des journalistes pour le droit de l'homme a appelé hier mercredi 19 juin dans un communiqué tous les acteurs concernés par les droits des enfants à se mobiliser pour faire de l'inclusion et de l'égalité des chances une réalité pour chaque enfant au Niger. Dans ce communiqué, le RJDH fait observer que le thème de cette année, promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances pour chaque enfant, met en lumière la nécessité de garantir à chaque enfant l'accès à une éducation de qualité, à la protection contre la violence et l'exploitation ainsi qu'à des opportunités égales pour leur développement et leur épanouissement. Chaque année, le 20 juin, le monde célèbre la journée mondiale des réfugiés, journée internationale visant à rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. Cette journée mondiale du réfugié met en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés et contribue à sensibiliser la classe politique et à mobiliser des ressources pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. Au Niger, à l'occasion de cette 23e édition sous le thème Solidarité avec les réfugiés, le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a rendu hommage aux réfugiés. Dans son message, le ministre a rappelé que les réfugiés ne représentent en aucun cas un fardeau, mais contribuent plutôt grâce à leur diversité professionnelle et culturelle, à l'essor du développement économique et social du pays d'accueil. Et voilà pour le flash de ce jeudi. Merci Rafika, passe une très belle journée. Merci Samira. Voilà, chers auditeurs, on l'a annoncé en titre. Notre invitée du jour est Madame Raya Mahaman, présidente d'une ONG dénommée Enfani. Elle fabrique des produits cosmétiques. Mais avant de l'écouter, je vous propose de faire une pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Abiba Samira, je propose à nos auditeurs les titres Mugu Magani de l'artiste Ali Jibo. est un trésor national du Niger dont la musique a transcendé les frontières et a joué un rôle majeur dans l'épanouissement de la culture nigérienne. Sa voix mélodieuse et ses paroles inspirantes ont captivé les cœurs des générations de mélomanes. Son engagement envers l'art et son dévouement à préserver les traditions tout en explorant de nombreux horizons font de lui un pilier inestimable de la scène musicale nigérienne. Mougou Magani de l'artiste Ali Jibo. J'espère que vous avez kiffé. C'est le moment d'écouter notre entretien du jour. Nous partons à Tirozérine à la découverte de Raya Mahaman. Elle fabrique des savons, des pommades et les savons liquides comme activité génératrice de revenus. Elle est aussi présidente d'une ONG dénommée Infani basée à Tirozérine, une structure féminine qui est aussi engagée dans la sensibilisation des populations sur la paix, les risques liés au mariage des enfants et le mariage forcé. Elle est interrogée par Ahmed filin ina vazelin ina mai gurguwa ina fitago duk da abin da shahi dai mai shahawa dai da wani abu ina yi kuke samun wannan kayayyaki wanda kuke aiki da su kun ga kayayyaki ina zuwa nigeria kasuwar sabon gari ce nake so kayan da kayan sabin likitika. To ku kuna wani kuke aiki cikin wannan eh, cooperative kin taku? Kyoshe mu biyar muke yin shi haka da kuma suke kama muna aiki tare. Ina koya musu inda ake aiki ina kusa inda ake sabili likit ina kusa da ake mai vaselin mai gurguwa duk abin da sabili abu dai na shaye shahen ga ina gurgurda mu mutane wanda suke so ya ne kuke garan su tunda ana ganin wannan abubuwan kamar sayo su ne ake daga Nigeria ko kuma kasashe ya ne kuke garan su da kanku shi sabili likitkin prodi ne muke sai mun sai prodi burodi muka ciko so da ruwa burodi kina muke gangama mu sa mu rihe shi ya kwana he gobe da sasanin mu sa da shi mu gyara shi mu sa shi a bidina mai shi ma dai an mun kawo shi bisa tukunya sabuwa da ba ta ba aikin komi ba da ita sabuwa ka tako muke sai mu dora ta bisa kan sharvan ita ma an mun sa man burodi kin ya gyaru sannan he mu ida sa sauran kayayyakin mu sa su a kofofi haka nan ne muke to ya kuke ganewa an dai wannan burodi kin ya gyaru sai da shi kada ya saura eh da mun ga gyara shi muna sanin yayi tunda ake cikin duk abin da ya ya sani eh kan ka mutu ya ce bai amurka nan bai san aikin shi ba amma duk abin da zama to aikin da ka fara shi ma ka san yayi da ka gan shi kuma ka san yayi sai ka sa shi a bot bot kin shi ka gyara shi ka laka mishi foto na shi kuma tubarkalla Allah sa albarka ina aishe kulba 60 80 anan bare da cikin sahiba zai bai kikibtawa sabil wa galikit an nasa shi abidina ana sayan shi haka nake ina da su yau ya ne kuna samun masu sayan wannan ayyukan nan wallahi ana sai mutane cikin gari suna ta sai wallahi tunda man ga da muke gyarawa na vazilin har da man kwakwa muke hada shi man kwakwa kowa ya san iya gyara jiki iya sa sulbin jiki ya gyara gashin kai ba abin da bai yi hamman kai muna yi kamar kuna koya ma yan mata ne amma duk wanda ya zo ce iya so ina koya mishi tunda ka san mutane ka bude a tele wanda ya zo ni bai zawa haka ne amma wanda ya ce iya so da ana guda mishi inda ake yi yanzu anan garin kuka koya wannan aikin ban ga aikin mun koye shi anan nan ba ni can Nigeria ni koyi wanga aiki ta adda koyi famikin na da can gidan mu ake yin shi tan nashe na ko shi tan komi da komi yanzu shekara nawa kuna yi wannan aikin wanga aikin na kai shekara biyar ina shi ko shidda aiki na ne kin shi ne kamar ku kyarke da iyalin naku cikin shi nake komi da abin da ke so ka gani bana sayan mai cikin shi nake komi da komi Allah Allah sa albarka ana samu kuna samun kamar karin sani bisa wannan aikin tare da kungiyoyi ko kuma masu hannu da shuni wallahi dai wanga aiki da haka an dai maka samu ta ONG dai haka an mun kai ma an da sai kin an maka sa muna samu dai ke ni aiki ina harka ONG kin tawa ina na sabin likit man shafa ba ina wanda nake waye mutane kai na arman kananta da ake ma yara da iyaka musu problem guran aifuwa wannan shi ma na yi shi na yi na arman doli tunda arman da za a ci Ayi yi gida wanga dan wa ga dan ka aka amsa arme an baka san juna iya kawo matsala shi ma na yi aiki bisa shi na yi aiki na zamantakewa haɗin kai dai samu zaman lahiya wani duk na yi shi. to ni kuke fadakar da su wannan mutane walla wancan na samu dai na samu shan mutum ɗari na ma farmasin a anu mayar ya je ya ga na waye musu kai na sabatar da kanshi na kwamsiriya ga sun zo masu gari gari duk sun zo sun shaida sun gani sun ga irin aikin da nake nan gai kuma ana aiki shi ana amfani da shi na fara wani shi kuma ga na waye kai ne da na na zamantakewa zaman lahiya daji goma na yi matuka kuma shi ma na na ida ya duk abin da ya zaman to dai bisa kalandare dai gashi nan na aika na samu an turo na je in yi shi wallahi kuma cikin azuka na an yi amfani da aikin nan wannan araman dole wannan araman yanzu babu shi da araman kananta yanzu babu shi yanzu dai na waye kuma sun duru sun gane kuma ba a yi shi eh kuma zaman lahiya yanzu ma Allah sa albarka tana ana yin shi eh ka gani da a samu matsala tsakanin mace da miji saboda yara yanzu mata duk sun gane eh tun duk abin da ake ga muku da gobe kun gane yanzu shekara kuna kuna wannan aikin ga aikata na kai shekara tara ina yin shi wa'anne masaloli ne kuke gamuwa da wallahi mu da wanga aikin tun na fara shi ne ba samu ta matsala ba tun an naje na kwatanta musu suna amfani da shi kuma suna aiki da abin da ke faɗa musu na wajen arman kanantan nan da na faɗa ma firefe wanga nan ciro lokacin nan da na kwanta shi ta to inda na je gurin suna ko armai da kwatanta mutane ma to kamar game da garan product da kuke na gyara jiki wa'anne masaloli ne kuke gamuwa da cikin shi kafin dama duka duniya an dai kana abu kana samu kana ci gaba to kuma sai ka samu hasada ko ba haka ba eh eh wani an ya ce wani ya ce bai yi ba da yawa wani muna samu daga ni tun na fara dai aiki na dai wanga wanda suka ce suna sha ba wanda ya taba ce mini bai yi ba ka san da ana samu da yawa ga sanan gurin farto ana gani eh kazo abin koya wani ya ce bai yi ba C'était la première partie de nos échanges avec Madame Raya Mahamman. Avant de poursuivre, faisons une autre pause musicale avec cette fois-ci les titres Al-Khair de Bombino. À travers ce titre, Alher Bambino appelle à l'unité nationale, rappelle à tous les Nigériens de promouvoir la paix, la quiétude sociale et aussi la tolérance. Chers auditeurs, on vous laisse kiffer la prestigieuse guitare de la star Bambino. سدكت الله هاي دما غرت مدام المدى الديري مغال سيدك دلال على خير غرت مدام عايد ما غرت مدام na tarakna tondise an kurejira sagalan na kuilan na na da tarakna kishro bisna da ku na larno turu kalam kutre kush kush ne gana sop mishkre mishkre ne gana sop yurdu tarakna da fokre ah da fokti chusu tarakna da fokre da ra shijar diganta sirdani studio après cette pause musicale. Nous continuons donc avec notre invité du jour depuis Turo. J'ai nommé Raya Mahaman, fabricante de produits cosmétiques. Dans cette partie, elle nous confie les raisons qui l'ont poussée à embrasser ces domaines et les difficultés qu'elle rencontre. On l'écoute et c'est toujours au micro d'Ahmed Felan. lokacin da na ta can Nigeria can wajen mai aduwa wani gari ana ce mishi bumbu can na iska inda ake sabili dan alje ana sabili kit ana man gomaji ana vazelin ana mai gurguwa kai babu irin man da babu an an yi shi kamar kalla ma sha da sa ake yin shi kamar ta duk rabi an saida wani abin shi ne ya birge ni ya kara birge ni na sa na ne ma cikin shi nake ta yi wanga mai da ake yin shi mai vazelin wanga in ba an sa mishi man kwakwa ba man kwakwa shi ke gyara jiki ne an gama da shi duk irin man da za a yi an gama da man kwakwa wai ba ma da muke ba ko wanda ake kana saida ne a je a sosha ta cikin shagunan ga da kwaiman kwakwa cikin shi tunda abin da aka gyara aka tace aka gyara da kyau dole yayi kyau kuma dole ya shi jiki yayi kyau an kan an ce maka mai wanga yayi ya to kenan man da an ba a gyara shi ba an kawo shi kuma an sashi a kofofi an darme an aji dole zai bata jiki eh, amma an ka gyara shi ka sai da kama ka ji daɗi ana cikin garin naku kamar tare da masano da shuni kuna samun kamar wasu tallafofi haka wallahi mu dai tallafi dai an ba na ONG ba dai haka an ka kai ka aje do sai an kai sa'a sunan ka ya hoto kawai bancin shi ba wani tallafin da muke samu an muna so mu dai dan Allah gwamnati dai sa mana hannu warga sana'a da nake yi yanzu ne ni a tele nake so in bude a nan gida na aiki to ba da karin da zan bude a tele tunda ana bude a tele na ga mata kowa ya zo ya koya don amfanin kanshi tunda an mun koya ka gani wani abu ba za ka ce namiji maka wani sabilin ka wani manka wani kudin yaran ka recreation abdi an kana sana'a kama diyanka kan namiji wata ya mutu ya samo ya kawo in kana da kai ba a tare arha ma kai asiri haka nan ne dama aiki to baka koya ba baka iya ba ya za a yi shi ni yanda nake cewa dan Allah da mata kowa da kowa ya tashi tsaye ya nemi zama nashi na kanshi ya yi zaman jira ka zauna ka ce namiji ya baka yanzu an huce gurin nan ba ma he sabili abin da kake so duka kai sana'a dai kowa ta shi kama sana'a zaman banza ba harka ba yanzu ya kuke gani wannan kungiyar ku tana ci gaba koya ne la kungiyar tana ci gaba har gobe har jibi Allah ya sa albarka kawai abu ɗaya ne a tele ban da ƙarin da zan ce in yi babban rumfa tattal haka yanzu wani kira gare ku ga hukumomi ko kuma kungiyoyi wanda suke tallafa mata wallahi an dana kira ga mu da mu dan Allah na tallafa mana ga aikin ga da muke nan muna yi na goma jikin ga dan dan Allah ku tallafa amin in samu in yi runwa tattal man je Nigeria in so kayan aiki nemo mata rika koya musu masu samu su rike kansu wasu mazan su sun mutu wasu ba su da hali amma an kana baka sana'a ka samu Allah sa albarka an ci an sha kuma ma a taimaka ma wani zaje raya muna so mu sani kamar kun samu kun koya mata kamar nawa mace 25 tana nan bisa kan dutse na masa 25 me ba mu da gurin aiki ne tunda bai wa a ce a shiga cikin daki a yi aiki cikin zahi bai wa a ce a hura wuta cikin ɗaki a yi aiki kaga kenan bai wa amma muna da ƙatuwar mu kenan mu ci gaba da aiki amma ba da inda zan yi an ba proje in hutu ba na samu abin da na samu in yi ruwa in gyara in nemi mata in sa su kuma ga aiki za ka koya ban ce kowa ba ni ko ƙarago ba kamar taimako ne zan yi kai ma ka riƙe ka kula ka riƙe kanka eh ban ce kowa ya bani ba rayya muna so mu sani me yasa ku ci wannan aikin me ya burge ku ci wallahi ni abin da ya burge ni ci ga aiki ni da inda nake nan da zamanin nake ma kan sai aikin kwanjilatar da nake yi amma tun da mai gida na da ya rasu na sa kaina cikin harkokin kasuwa ma duka kasuwanci tunda ba abin da ban na saida kuma wanga aiki abin da yasa ai burge ni saboda an ina yin shi ina samu Allah ya sa albarka na ci na sha min shafa a jikin mu hannaye kyauta shine kadai burge na ga ba he na sayi mai ba ba he na sayi sabili na wanki ba duka ina aiki za in doka in kyauta ana sai ana saidawa kuma ana yaba shi ana karuwa da shi kuma shi yasa na ci gaba da yi zo ne kira gare ku ga mata domin su zo su koyi aiki a cikin wani kuma da ta kwata ake cin amfani ina kiran kan matan armi kan zawarin kan dan mata an ga diyan nawa duka zaman banza ka siye shi na ci. su zo su gare ni na koya musu aiki ba da karwan ka ba ma dan mi dan saboda gobe karuwar ka ce kuma karuwar kasa ce kuma karuwar diyan ka ne kuma taimakon kasa ne duka zani duk abin ka ana wani sace sace wani aikin ba wani abu da aiki duka wannan duk rashi ne yake kawo shi da rashin aiki ne amma ka da aikin yi ba ka wanda ma cikin ka bare ka aikata shi abin da yasa kasashen waje suka tsere mana daga komi da komi mata ba zama eh suka ga mace har da kwataki iya aiki na aiki amma bikila ta kwalba ma da akwai sana'a akwai kasuwanci ga mace shofiyar to me yasa haka nan babu zancen talauci Allah ina fata dai mu duka da yan Nijar gaba ɗaya mu tashi tsaye da kanmu tashi mu nemi aikin da zamu kan mu zamana mu jira he an bamu mu yi kishin ƙasarmu mu yi kishin kanmu Allah taimake mu Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est le moment de passer à la rubrique hebdo. Et dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous allons discuter des lignes des questions les plus cruciales dans notre vie numérique, la sauvegarde de nos données en ligne. Que ce soit nos photos, nos documents importants ou même nos souvenirs précieux, il est essentiel de prendre des mesures pour les protéger de la perte ou de la suppression accidentelle. Plus de détails avec Ousmane Mamoudou, rédacteur en chef adjoint du studio Kalango. Tout d'abord, bonjour à tous. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dépendants de nos appareils électroniques et des services en ligne. Imaginez que votre ordinateur tombe en panne ou que votre téléphone soit perdu. Ça peut arriver à tout un chacun vous risquez évidemment de perdre vos données. Donc, toutes ces données personnelles pourraient être perdues à jamais si vous les avez pas sauvegardées correctement. Euh, et donc, c'est là que rentre en jeu la sauvegarde en ligne. Et Ousmane, c'est quoi la sauvegarde en ligne Alors, la sauvegarde en ligne consiste à stocker vos fichiers et vos données sur des ordinateurs, sur des serveurs distants. Un serveur distant, c'est tout simplement un ordinateur qui n'est pas localisé chez vous. Et donc ces ordinateurs-là, ils sont très souvent gérés par des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc ça va vous protéger, ça va vous offrir une certaine tranquillité d'esprit en cas de sinistre ou de vol ou de défense matérielle. Lorsque vous allez perdre votre ordinateur, il peut se casser, euh, il peut tomber dans l'eau, etc., etc. Donc, mais donc vous pouvez accéder à vos données depuis n'importe quel type d'appareil connecté à Internet mais surtout pouvoir les restaurer en cas de besoin. C'est ça qui est le plus important. Mais euh, après, comment sauvegarder nos données en ligne de manière efficace Tout d'abord, identifier les fichiers et les données que vous considérez comme essentielles. Donc, il peut s'agir de photos de famille, de documents professionnels ou de fichiers importants. Ensuite, vous allez chercher des services de sauvegarde en ligne. Alors, des services de stockage en ligne, eh ben, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, mais les plus populaires que vous pouvez trouver, euh, je peux citer par exemple le Google Drive, iCloud d'Apple ou le Dropbox ou Microsoft OneDrive. Ça, ce sont vraiment les services les plus populaires. Donc, mais ensuite, l'élément crucial qu'il faut vérifier, c'est que vous devez choisir un service de stockage qui utilise un cryptage fort pour protéger vos données. Le cryptage, c'est tout simplement une clé, une sorte de clé qui permet de protéger les informations en ligne. Donc, n'allez pas prendre une application qui n'est pas reconnue, qui n'est pas réputée solide pour protéger vos données en ligne. Et donc, le cryptage va garantir une sécurisation de vos fichiers. De plus, il faut vérifier les politiques de confidentialité et de sécurité du service de sauvegarde pour vous assurer que vos données sont bien protégées parce que souvent il peut y avoir des fuites de données, souvent il peut y avoir des problèmes au niveau de la confidentialité, etc., etc. Ce sont vos données personnelles, donc faites attention aux services euh, à la qualité de service que vous allez utiliser. Une fois que j'ai choisi mon service de sauvegarde, je fais comment alors Mais une fois que vous avez choisi le service que vous allez utiliser, donc maintenant on passe à l'étape de la planification. Donc il vous faut une planification régulière de vos sauvegardes, euh, qu'elle soit réalisée de façon automatique. Par exemple, pour ceux qui utilisent beaucoup WhatsApp, vous savez qu'il y a, euh, on peut choisir, on peut planifier de sauvegarder tous ces messages dans dans une plage horaire donnée et selon que l'on soit ou pas connecté à un réseau Wi-Fi. Donc cette automatisation-là vous garantit que vos données sont sauvegardées régulièrement sans que vous ayez à y penser constamment. Je n'ai plus besoin de dire ah aujourd'hui je devrais faire ma sauvegarde, c'est fait de façon automatique. Et en plus de ça, il faut aussi penser à conserver des copies de vos sauvegardes local sur des supports de stockage comme des clés USB, des cartes mémoire ou des disques durs, etc. Par exemple, moi, je le fais beaucoup pour, pour mes contacts. Il peut y arriver euh, que je change de téléphone, mais j'ai toujours une copie de la sauvegarde de tous mes contacts dans une carte mémoire. Et ça aussi, c'est très facile à réaliser. Vous pouvez partir sur YouTube, trouver des, des tutoriels. Il, y en a pas mal qui les expliquent. Donc cela vous offre en fait une double protection en cas de problème avec votre sauvegarde à et voilà, chers auditeurs, quelques conseils clés pour la sauvegarde de vos données en ligne. Un dernier mot, Ousmane. Rappelez-vous surtout que prévenir la perte de vos données est bien plus simple que de tenter de les récupérer. À la semaine prochaine. Merci Ousmane. Allons à présent pour une pause en musique avec les titres Zozo de Maliaro. soso toro disoso ou bien un studio, l'enfant de Sirikwara, il sait toujours manier son style musical et il nous émerveille à chaque fois qu'il prend le micro pour chanter. Zozo de maliago Chers auditeurs de partout où vous nous recevez, j'espère que vous avez kiffé. Allons pour notre tour en région et direction Zender, où nous allons parler des méthodes d'approche dans les relations amoureuses chez les jeunes d'aujourd'hui. Les personnes âgées estiment que les jeunes d'aujourd'hui sont pressés de se livrer au premier venu, contrairement à la jeunesse de leur époque. Notre correspondante Zara Boukar nous plonge dans les regards des deux générations séparées par les années et les réalités. S'il y a encore une chose qui divise l'opinion chez les jeunes et leurs aînés, c'est la séduction, les méthodes d'approche et les relations amoureuses. Les plus âgés estiment que les jeunes d'aujourd'hui sont pressés et se livrent au premier venu, contrairement à la jeunesse de leur époque. akwai kumya a da kwata-kwata abin da zan kwatanta miki akwai jin kumya macen ta da in dai kai ni to ba zancen wani ya rika zawawa da ta hudda ka kai ni yanzu kai ga da mutum wajen biyar shi da ana ta shiga ana huta ana ka ganin ma an zub da daraja makarita su zo su kewaye ki su ta zuba miki karya idan ni ina son yarinya a da ba farar ɗaya bane ba ni ma nake iya fitowa in ce ina son ta sai na biyo wasu hanyoyi na ƙawayenta su ma ita ma ta biyo hanyoyi na abokani na an san ko ni wane ne ta san ko ni wane ne sannan muka shaku babu zancen yi karya a cikin lamarin soyayya aure bambancin da yanzu kenan ba a nuna mata ko ina da kuɗi ko ni dan sarki ne ba a nuna mata da ni wani biya maradi ne ko na ba a nuna mata ake kawai abokin zamanta ne ni sai can in ta shigo ne take gane a ce ni mutum ne babba mai daraja mai karatu La génération d'aujourd'hui quant à elle n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Elle pense qu'au temps de leurs parents, il y a trop de camouflage et de protocoles dans les déclarations d'amour. Néanmoins, les jeunes reconnaissent leur comportement parfois ambigu et un manque de sérieux dans certaines relations. yanda yanzu take in gidanku wanda kuma Les relations maintenant sont caractérisées le plus sur le mensonge parce que une relation qui commence par les mensonges est vouée à l'échec d'office. Le gars vient vers la fille avec une autre intention qui n'est pas celle d'une relation qui aboutirait au mariage. Ce qui même bloque les relations actuelles, c'est surtout euh, le matérialisme, parce qu'on ne t'aime pas en fonction de ce que tu es, mais en fonction de ce que tu peux offrir en termes du matériel. Cette modification du concept des liens relationnels peut avoir plusieurs origines, selon professeur Diko Abrahaman, sociologue à l'université Zender. Aujourd'hui, avec les nouvelles formes de conception qui se développe autour, n'est-ce pas, de la question de l'égalité de la femme et de l'homme, du coup, on donne un certain nombre d'avantages théoriques qui, en réalité, ne peuvent pas véritablement justifier Lorsque la femme, on lui fait comprendre qu'elle a des droits, lorsque la femme, on lui fait comprendre qu'elle est égale à l'homme, lorsque la femme, justement, on lui fait comprendre qu'elle est, elle peut, elle peut remettre en cause la décision de son mari, de toute évidence, il y a la question de la destruction d'un leadership qui est longtemps considéré comme étant une propriété exclusive des hommes. Donc l'homme se sent beaucoup plus affaibli. Et c'est dans cette tentative de, recouvrement de ce leadership-là que justement le conflit se crée et souvent les solutions euh, peine à être véritablement euh, mise à l'application. Les gens veulent vivre cette vie-là décrite dans les réseaux sociaux, décrite à travers le, le, réseau social WhatsApp par exemple, euh, ou bien le Facebook, ou de manière globale tous les réseaux sociaux. Malgré cette divergence de point de vue sur les relations amoureuses entre ces deux générations, les relations sincères existent encore et résistent autant. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour euh, Mira, bonjour euh, Abiba. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors la Finifoot a lancé une campagne de sensibilisation sur la manipulation des matchs à quelques jours seulement de la fin de la Super Ligue 2023-2024 du Niger. Oui, et c'est une action initiée par la Fédération nigérienne de football pour attirer l'attention des clubs à bien se comporter, car cette année la Super League du Niger est série au niveau du classement. La conclusion, éviter les matchs truqués entre les différentes équipes et cette campagne se déroule sur l'ensemble du pays. Bientôt les vacances et les TGV se préparent à Niamey, n'est-ce pas Grouza Oui, Abiba, à Niamey et partout au Niger, c'est devenu une tradition. Pendant les vacances, les tournois de foot euh, de grandes vacances s'organisent dans les différents quartiers de la capitale appelé tournoi des grandes vacances. Des jeunes se retrouvent autour du ballon rond durant tout au long des grandes vacances pour consolider l'unité et la solidarité entre les jeunes. Ensuite, cela permettra aux grandes équipes de se ressourcer et trouver des jeunes talents pour renforcer leur effectif. Déjà, le tournoi des grandes vacances de l'aéroport se dessine à l'horizon avec euh, le tirage au sort prévu le 23 juin 2024. Notons que le tournoi des grandes vacances de l'aéroport est à sa dixième édition. Après le football, passons à la lutte traditionnelle. Nous allons découvrir un des lutteurs de Niamey, Abba Ibrahim. Oui, Samira, euh, âgé de 27 ans pour 1m75 et pesant 86 kg. Abba Ibrahima est actuellement l'un des lutteurs chouchous de la capitale Niamey. Avec euh, son gabarit exceptionnel, une technique sans faille, très habile et plein d'énergie, Abba Ibrahim est parmi les lutteurs nigériens le plus en vue actuellement. Il a débuté la lutte traditionnelle en 2019 euh, lors du championnat national de lutte de Maradi. Il a remporté la coupe Tolak dans sa catégorie. Son seul souhait maintenant et de remporter le sabre national. Abba est un disciple du grand lutteur Yacouba Adamou, champion national en 2014. Voilà pour le sport. Merci Gorosa pour toutes ces informations riches en sport. Place au portrait du jour euh, qui nous amène à la rencontre de Jin Tudo Kweni. Âgé de 43 ans, il est natif de Tamaya, région d'Ottawa. Il exerce son commerce entre le Niger et l'Europe depuis 2005. Avant de se lancer dans le commerce, il était éleveur. Voici son portrait avec Oumu Jin Tudo Kweni. suka gorko mo e tamaya région illa hittane duuɓi ujuna ɗiɗi e joyi o fuɗɗi mo yaha leyɗe tubakoɓe erope nonni ndey fadde mum o duranno non ndey ba joni ɗum haɗay mo durgol wakkati mo o suka gorko warti leydi niger fuu omo waɗa durgol gol nani no o fuɗɗiri wallahi nden no mi neɗɗo élevage fa joni fa joni tomi yeehi lesɗe europe tomi warti fa joni ni mi hara kam mi neɗɗo élevage ga kulmi yahi seede ɗi ko keɓmi fuu mi warti faaju en mi sooda baali mi sooda beyi mi sooda nayi te nan haraka élevage kañum min jofata ɗum culture amin fuu ɗum haraka élevage amma ni gotum ni mbi'e mami joni durgol kam joni tiiɗi par ce que joni ladde woni wala ladde ko no waɗu jeene bisaji kulɗum baali kulɗum be'i kulɗum nayi gaɗi ñaami ɗum ɗum wala um faani e maaju doole ko durgol kam hande no wi'ete fuu durgol kulana a hokku saño ko a hokku goɗɗum anguriyaje go ko ni ko ñamnete ɗon tan ceɓata hande riba durgol maɗa amma to a wi'i ladde tan tokkuɗa hande wallahi a yiyata riba durgol ma wallahi ko puɗɗum yahago e europe ila 2005 min jahadi e groupe dow e haraka ossiation min ada dow groupe to nde min jahi min naati france min ɗowti min jiili nder europe fuu min jahi allemagne min jahi suisse min jahi belgique min jahi fa canada ceenan min garti min mbaɗi tourné après joni kam min ceɓi contat joni kam nangumi jahangal joni kam joppumi min haraka min joppi haraka groupe joni kam nangumi contat am nan latti nder hitande fuu mi yahi chaque année ceenan nder hitande fuu mi wawi mi yaha jahanɗi ɗiɗi mi yaha été e mi yaha nuel to kadi ma e ɗum woodi important e jahaci sabu ɗume sabu neɗɗo mo wala golle ɗo nder leydi muɗum heɓi yahi toyan waɗoy deux mois ko un mois et demi ko trois mois heɓi wartidi e hunde seɗɗa je nanno heɓe faabo faami e talakaji muɗum je nanno heɓe no wurdi e haraka no heɓe no waɗi illa o fuɗɗi umo yaha leydi europe o yi'ay seɗɗanmaji nder yehu wartaji makko sabi umo tokki laabi séri aji ko jaaki leyɗe tubakoɓe waɗi nder hitane umo waɗa cile ɗiɗi ko o yaata imo wara luumo kollol kamɓe gatta leydi europe har ko ƴewata filla fina tawaji daga mi fuɗɗi mi heɓa probléme wala probléme kadi ma alhamdulillahi mi yetti bo allah kadi ma mi godanake jahci am toon europe wallahi tomin jeehi toyan ɗu wala maƴala fo saabu tomin jehi toyan eɗa woodi himɓe ɓe gonɗa contact e mumen eɓe mbaɗma berger kadi ma ɓe balluma luumo kamɓe mbawma zarbanago fuwar o ko kama festival o kenan goɗɗo e wawi ila lokasi warawi e wiima lokasi kaza e wodi foir baɗey ɗum kaza kenan say nangatma place kenan ko jahata fo nanganima place tomin jeehi toon ɗum taguno holle culture muɗum no pullo kanjum woni hollata to a yeehi luumo a heeɓi luumo maɗa tara kolte maɗa traditionnel mbaɗata kolla a pulfulde kolla a pullo ƴenan koɓe gar kulɓe jiyima ɓe andi a pullo ɓe andi afrique to iboyɗa cenan ma nden ɓe ɓurata ma waɗango ma lumo ɓe a hollata fuu a ɓi leydi toyan ko ton gonɗa ko a bañe cenan neɗɗo fuu ni kiltir muɗum hollata kadi ma a haalaneɓe leydi to iboyɗa fa e to gonɗa fa e sire ma fa e gari maɗa cenan ɗum wala maƴala goɗɗum fo min kam ni vraiment ɗum ɗum welini ne cenan miɗo yaha france miɗo yaha autriche miɗo yaha allemagne miɗo yaha suisse miɗo yaha belgique nder ɗe fuu lesɗe ɗi fuu emin mbaɗa tourné maji miɗo yaha espagne bako jintuɗo koyni wala saɗarma nder jaaki leyɗe tubakoɓe dey fuu haɗay o woni omo holla ko leydi neɗɗo no ɓuri leydi janandi sabi rafi gollal daringal kan watta jomum yaha leyɗe jananɗe o wonmo holla ko o ñagotto woni o heɓa gollal dartingal nder leydi makko wallay ko jiɗmi yahago yesso joni komi heɓa joni a andi voyage toujours toujours voyage voyage a andi no tiiɗi ko jiɗmi joni ko woni nder hoore am joni je nan taggu heɓa nanga sana'a nder leydi muɗum kanjum woni boɗɗum to a heeɓi ko nannguɗa sana'a nder leydi maɗa to alhamdulillahi a jooɗi nder faami maɗa a andi bala gouro hannde ko ndenno ma bala gouro no tiiɗi hakko hannde nde joni nde jaman a faami ma joni to neɗɗo heeɓi ko walli ɗum nanji sana'a e leydi muɗum wallahi alhamdulillah kenan joni jahale ɗeɗɗe min mbaɗata wona ba ndenno ba noon no kama tagu waɗeynoɗe joni tagu um doole tawa arata ɗum um doole wona wala goɗgal ngal nanji ɗo e leydi muɗum mais to heeɓi wongo jungo nangal ɗum ko wallitoto ɗum ko wallata ɗum kenan e yiɗi heɓa jooɗo e leydi muɗum nanga hara mum nanga sana'a mum Merci Oumu pour ce portrait, chers auditeurs. Au point où nous en sommes, un dernier tour à musique ne sera pas de refus. Voici pour vous les titres Seban de l'orchestre 7 étoiles de Dalik. sokani o darande rezi koi mabani tego me chamo to omar walla ganai go adaran chaizo mantizanto Cette étoile de Dalik. Si vous venez de nous capter, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site web www.studiocalango.org. Passons sans plus tarder au loti. Et la rubrique Loti du studio Kalangu porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent à se marier. Dans la société, elles sont nombreuses ces filles qui sont doigtées par la communauté. Dans cette discussion, les femmes du studio Kalongo attirent l'attention de personnes sur le fait que le mariage est une question de temps. écoutons bien sûr Abiba, moi, Rekia Arimi et Maria Madi. hey Asiya da Allah daina danna dannan wayan nan ki maza ka mu mu makara ga wanga tawon. Mm, Aisha kullum kina gaugawa abin da gani nan bayan ki wani labari dai ne nike nan nike karantawa watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha kullum ina gaya miki ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya za ki kirkira ma kanki da matsala wata rana Allah anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi a'a ban gani ba to dan Allah ki daina ki maza mu tafi to kina da gaskiya na yi shiru kafin in ja mu kaina wata matsala da hakan zai fi miki kyau <laughs> ke duba fa kamar raliya ce nake gani can ke ita ce tsayan kiranta raliya ke raliya Aisha Hasiya yaya kuke tun karshen karatu da ba mu ga juna ba. Wallah haka ne ina jin mun kai ma shekara shida. To ya ne me ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu haka ne. Kina nan kina zaben miji. kina nan sai kin tsuha a'a ba haka nan ban lokaci daina bai yi ba ke raliya kan ma ki saurare ta dibo kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki mu wani lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki to a wani lafiya ko. to raliya sai mun yi kiran juna hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba ni nayi kuma ya zaki ki ce magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba hm, kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda in ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau ke dai to kai ki ƙara gayin haka ke san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum ba ita bace za ta zaɓa ma kanta miji kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba to iyayenta ne za su kawo mata mijin suna iya yin haka amma ba a latilasu ba amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko gaskiya ka to kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa to yaya zan yi in sani Aisha to tun da baki sani ba ki bar gayi irin wa'anga magana hakan ga yanzu tana yiwuwa kin sa ta wani dogon lissahi Allah ɗaya san ita abin da take ji yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da ba da gaskiya kam zancen gana ki yana da kamshi to kin san ban san da abin zai zama hakanan ba kuma na yi hakan ne ba dan saboda kuma in bata mata rai ba ke dai kai bana sake ba nan zuwa gaba to hakan dai zai fi kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce hasiya sai ki ce ma mijinki ya ɗauke ta ya maida ta mata shi ta biyu a a a a kin zo ƙarshen fimkin inda bandi zai kashe mai fimkin yaya hakan bari ba mu kai nan ba zan dai muta addu'a Allah ya kama ta mijin na gari gaskiya kina ba mutum dariya to amin <laughs> na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya mata zafi to ba damuwa les des femmes du studio Kalongo. Accueillons maintenant Abdul Moumouni Niali pour la culture linguistique. Ce matin, il nous explique les mots en en fulfulde. Bonjour Niali. Bonjour Habiba. Comme vous l'avez dit, chère euh, auditrice et auditeur, Habiba l'a déjà souligné que notre mot de la culture linguistique de ce jeudi 20 juin 2024 est bel et bien la désertification. C'est un rappel le 17 juin de chaque année et célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la chasseresse. Notre mot du jour, la désertification, ce mot, chers auditrices et auditeurs, a été expliqué en anglais, en français, en hausa et en charma. Aujourd'hui, nous tenterons de l'expliquer en fulfulde. Avec votre permission, Habiba et samira allez-y bandiraɓe barkinaɓe wonɓe no kettino sigilaji niger sur Kalangu, ngu kori jam weeti e moɗon sappo e jeɗɗi lewru juin hitande fuu iɗum waɗa batu ñalowma ittanaɗo durwididde tenere gonɗo no ñaama warde e himɓe kam e yoro mango ko wonno waɗa nder leyɗe duniyaru du enda. bandiraɓe nder leyɗe kewɗe ɗe e ni yoro e tenere o ni ko woni no wadde no himɓe no pera nder nokkuje mumen te fo to jooɗo tenere pamtinol muɗum kanni woni bonnol leydi gese ccc fa yetto yonkay e to nokkuje ɗe endan ni nder mum toɓatake sam sam sako huɗo huɗo sako huɗo tawi ɗum go endan ni de en an yoro mango go endan ni rafito ɓeede noon nder wakkati kokke kan en gadda duni fa hande himɓe dilla nder cakantaraje mumen ɗo enda de en daari ni yoro mango goo endan kam fuu e tenere o endan gonɗo no ñaama warde e himɓe kulle noon ɗe gonno gaddana himɓe saɗorna nder burna maɓɓe hande e jaamu mana waɗude batu ñalowma ngu endan ni bandiraɓe barkinaɓe kanni woni ko watta himɓe leɗe duniyaru ko e en pirte do duro tenere o endan e yoro mango go endan kulle gonɗe no gadda ɗe voilà tout pour aujourd'hui Merci Niali, chers auditeurs, et n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer des mots dont vous souhaiteriez avoir l'explication dans les cinq langues où nous diffusons ou en anglais sur le 82 89 89 64. Justement, écoutons quelques-uns de vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Je pense que c'est un programme très riche, euh, assez dense, qui a lui seul est une stratégie de conscientisation de la masse laborieuse. Je tiens vraiment à encourager le studio Kalangou pour tout ce, que vous êtes en train de faire. Surtout euh, cette stratégie de vouloir être partout avec vos partenaires, là, les radios communautaires, avec vos correspondants un peu partout à travers le pays. Euh, quand tu suis le programme de studio Kalangou, tu te retrouves à travers tout le pays. J'estime que vraiment Studio Kalangu, vous êtes en train de faire beaucoup. Avec votre forum aussi, que je suis d'ailleurs, j'aime beaucoup suivre quand même votre forum avec vos, vos plages de magazines, etc. C'est vraiment costaud, c'est du costaud. Et on sent que Studio Kalangu, vous êtes assez professionnel. Rien que avec ou de par le profil de vos invités, qui apporte énormément, en tout cas à la population nigérienne et surtout à la jeunesse nigérienne. a kanan gwamnati da wuri ne ake tumatir daga biyar zuwa takwas kanan ne in ta kai takwas ne saboda lokacin da abin nan jamus za ta karba a nan sai ta sai ta bari haka ne ake yin ta a'a alhamdulillah ko da din shirye shiryen tun da tana abubuwa wanda ya kamata a tana tambayoyi wanda ya kamata duka ana yi a'a shirye shiryen tun da ya kamata wani kira wanda za a yi wanda za a yi komai nasu gaskiya mai ma'ana ne ka gani babu wani abin da za ka ci a gyara amma ni da ban ga abin da nasu wanda ke da laifi wanda za a ci a gyara C'est déjà la fin de notre émission du Niger sur Langou de ce 20 juin 2024. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage avec nous. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos intervenants et vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute attentive. À la présentation, c'était Samira Rouafi et Habiba Ahmed. L'édition était assurée par Adama Dawaki et à la technique, c'était Seni Isaka. N'oubliez pas de rester connectés pour la suite de nos programmes à partir de 17h. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. À demain pour de nouvelles émotions radiophoniques. Bye bye